Ala min Ali mi sɔn 27 jours pour la Coupe d'Afrique des Nations d'abord à première vue l'amour a euh, attiré sa attention si bi liste bon avant liste bi di di y a eu beaucoup de de beaucoup de rumeurs par rapport à li nga xamante 27 euh, joueurs yi m'a pour la Coupe d'Afrique des Nations mais pratiquement, il euh, y, a, le a qui est là, qui est, qui est, qui on a les cadres donc, de l'équipe nationale du Sénégal, donc Sadio, euh, Cheikh Kouyaté, Koulibaly, euh, Edouard et autres. Il y a aussi l'arrivée des, des jeunes donc, on peut les citer, Lamine Camara. Donc, lolo Mounek une satisfaction parce que c'est bien mérité parce qu'on a vu que c'est un jeune Bohamed durant tout au long de la saison il a été très constant avec son club le FC et en même temps aussi euh, un joueur comme Pape Matarsar aussi qui a été très constant avec ses performances maintenant inquiétude par rapport à liste euh, les blessures de Boulaïdia, Dia Mendy mais il comme quoi a discuté avec ses joueurs tout comme Sabali et qu'il les a carrément dit que voilà ils sont aptes à venir défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations et il a confiance à ses joueurs parce que ce sont ses hommes de confiance donc dinañu dinañu apte par rapport la compétition bi. le retour d'Abdallah pour moi aussi c'est une bonne chose parce que il a été je quoi qu'on puisse dire performant durant la saison Abdallah pour moi, c'est une récompense même de l'amener en équipe nationale à à ça sonne même à l'heure parce que tay c'est un jour bo xamanténi pour moi, mi ngi def ay performance yu jar Coupe d'Afrique des Nations pour moi, c'est un ci important. c'est-à-dire le joueur à l'instant T moment où il sort pour une compétition moment boobu ci état de forme la ci performance la nekk ban confiance la pour moi, Abdallah est l'exemple tey c'est un joueur qui est en confiance qui marque des buts qui est très performant et pour moi il mérite de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. amical ñu nag Niger Aliou Cissé nee na danger comme amul danger lan nga ko nga danger personnellement, je pense que c'est un match c'est un match de préparation par rapport à une compétition. Parce que y a une compétition, compétition beaucoup de compétitions, il mettre la Coupe d'Afrique des Nations par rapport à la pression par rapport au, rythme physique parce que xam Coupe d'Afrique beaucoup ak yenen compétition yi bari na ay euh, bari na ay mbir yu ci biir donc pression baangi ci biir aspect aspect physique baangi ci biir condition yaangi ci biir donc ngay dem pour défendre ce titre et le Sénégal sera l'équipe à battre tu as besoin de match de préparation donc mënoo dem nonu ci compétition sans jouer un match de préparation commencer euh, dessiner ce ce, ce onze bi nga xam dara ni mo wara dem démarrer compétition bi pour moi c'est très important parce que le Sénégal le 15 lay jouer premier match il jouer le 8, un match amical entre le 8 et le, et le 15, tu, te prépares pour la première rencontre face à la Gambie. -hmm. une dernière question par rapport que le titre champion d'Afrique le Sénégal yoon Aliou nee na na ni waruñu euh, waruñu titre parce que champion d'Afrique donc même si yeneen nation une dañuy xaar ñëpp ñu la d'abord est-ce que vous avez nga ni partagé nga ak l'impression euh, impression bon non titre waru ci am mais par contre il faut quand même respecter les adversaires parce que tu es dans la poule de la mort avec la Gambie le Cameroun la Guinée titre waru am euh, am ay doute si équipe sa potentialité, parce que les statistiques effectivement sont là mais tu dois respecter chaque adversaire comme nous nous ko defee woon ci CAN bi ñu du CAN bi Sénégal adversaire bu nek daf ko respecter lolo ko may tay mu meuna accéder ci de niveau pour man bu Sénégal numuy aborder match bi ce sera comme une finale face à la Gambie il faut respecter l'adversaire face au Cameroun on sait tous que ce sera un match très difficile la Guinée aussi xam nañ équipe derby le face au Sénégal une match ñetti match ça veut dire que a final finale. il faut respecter ses adversaires même si le Sénégal reste quand même favori. Merci Roy.